tout d'abord ñun dañuy remercier initiative yu Melni quoi parce que c'est pas évident parce que da ngay gis quartier yu bëri jeunes yi dañuy dem ci yeneen ñu dul loo dafa am importance pour quartier bi quoi voilà insalubrité moom yaakaar naa ku ko xamul mooy nekk fii de gis nit ñi set set a sax nga toog sa kër parce que salte li muy mën a indi si koñ bi xam nañ ko mën na fi indi ay feebar yoo xamante ne duñ fi nekk di ko waxati parce que ñëpp xam nañ ni muy demee looloo tax waral suñu taxawaay tey ñun jeunes yëpp ñu ñëw en tant que des citoyens coxocee pour indi beneen coxo boo xam ne c'est un coxo nouveau lii mbégte la su ñun mbégte moo xam ne nag du ñu defe ne set tey tax mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa oote set parce que boo setul doo mën a làpp dem sa borom boo setul doo mën a julli bu gën a mbuubu bi set der bi toog set kon na set boobu bu ñu gisee askan wi am ñu am xalaat yu mel noonu Deka Dekil mbégte la. association sportive bi gis nañ si association féminine yi gis nañ leen ni kon nag li lépp oote la boo xam ne ne jàmm la oote xéwal la xéwal du xaalis rek la santé d'abord. set dafa baax si dëkk te ñun dañ doon bale démb avant lii suñu tali bi sax tey amul mbale ndax nag am nañu ay bale am nañ kii ay boros am lépp suñu jigéen ñi dañuy bale góor ñi dañuy bale. Macky Sall avant muy wax set ñun fekk na ñu ngi seet setal ñu fekk ci set setal bi dekk bi gëna a neex ndax set si ngay amé guddu fan si ngay amé wér gu yaram set ci la lepp nekk bu ñu paré fi dañu réy ñoo képp ku dekk ci dekk bi tour tuurati mbalit ci dépôt yi na nga tek sa buntu kër bo auto bi ñew nga tour ndax auto bi day jaar fii buñ défé lool dekk bi dara du ci sall waye ku gor sa garab sanni ku jël say euh, ki euh, nu mu Euh, l'association sportive et culturelle joue un rôle important dans un quartier. C'est vrai que euh, si 80 ou 90 euh, du temps est consacré au sport, mais le reste c'est consacré aux activités de développement et surtout de de lutte contre l'insalubrité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Rufisque est, une ville euh, assez sale, ça il faut le reconnaître. Nous, à notre niveau, au niveau du quartier, on, s'évertue vraiment à combattre euh, cette, euh, ce fléau. Je pense que c'est simplement en sensibilisant les populations qu'on parvient à combattre l'insalubrité au niveau de la ville. Nous sommes là avec les populations quand même pour leur apporter notre soutien et travailler avec eux pour que quand même nos, ce quartier et les autres quartiers de ville, que ce soit des quartiers vraiment propres, où le problème de la saleté sera carrément éradiqué. Maintenant, l'appel que je lance aux populations, c'est que la gestion des déchets ici à Rifus est organisée. On a des camions de collecte qui passent tous les jours. Donc nous demandons aux populations, quand même nous allons faire de la sensibilisation avec notre unité de veille et de sensibilisation pour leur donner les heures de collecte. moi je suis un homme d'action. Immédiatement euh, après cette journée de lancement, nous suis réunis dans mon quartier d'origine, ici à Tchoko, pour qu'on puisse matérialiser ça dans l'action et faire notre journée de Clean Day aujourd'hui. Qu'on puisse parler aux délégués de quartier, aux mouvements associatifs, aux imams, pour sensibiliser les populations afin que cette journée de Clean Day ne soit pas une journée fictive, une journée euh, d'animation, que ce soit une journée où les gens se prennent très au sérieux le travail parce que le problème de la salubrité à est un problème qu'il faut vraiment régler définitivement. Mais moi, je voudrais lancer un autre appel. À l'image des autres pays, parce que ces journées de Clean Day, si nous voulons vraiment le matérialiser avec l'ensemble des, couches de la population, que ce soit le mouvement associatif, les personnes, les fonctionnaires, je voudrais demander solennellement au président de la République, de là de son engagement, à prendre une tranche horaire pour qu'il n'y ait même plus de circulation de véhicules. C'est-à-dire euh, que cette tranche soit comprise entre 8h et 12h. Que l'ensemble des véhicules soient à l'arrêt. Que les gens prennent conscience que cette période, c'est pour que tout le monde descende sur le terrain afin qu'on rende notre pays très propre.